Ça a été aussi l'occasion pour nous de nous féliciter de cette importante politique du chef de l'État, mais également de, féliciter l'Agence de la couverture maladie universelle pour la démarche et la stratégie adoptée pour mettre en œuvre cette surpriorité du chef de l'État. Nous savons tous que l'accessibilité des soins de santé de qualité à toute la population a toujours constitué une préoccupation majeure des, gouvernements sénégalais. Mais en décidant de lancer en, décembre, en septembre 2013 la couverture maladie universelle, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a voulu confirmer son attachement à la traduction en actes concrets de cette euh, importante politique. C'est pourquoi aussi nous avons accueilli la délégation de l'Agence de la couverture maladie universelle ici, à l'effet de partager avec les populations, l'ensemble des acteurs, les couches sociales, les collectivités locales, bref, l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour l'accessibilité des soins aux, populations du Sénégal, pour les encadrer, mais également échanger avec eux sur les modalités pratiques à adopter pour une meilleure mise en œuvre de cette politique définie par le chef de l'État. Donc nous sommes euh, ici à Dagana dans le cadre du lancement de, de ce processus et au nom de l'administration, nous voulons aussi témoigner à l'agence toute notre disponibilité à faire avec elle toutes les étapes pour aider à mieux sensibiliser cette politique-là, mieux vulgariser cette politique-là et permettre à l'ensemble des populations de pouvoir bénéficier de soins de qualité, mais également à, moindre coût. Et je disais tantôt que la, clé de la réussite se trouve dans le taux de pénétration des mutuelles de santé qu'il faudra implanter, qu'il faudra mettre sur pied euh, euh, sur toute l'étendue du département, parce que c'est la clé de voûte de ce système-là. Donc j'invite les populations, les maires en particulier, à s'investir pleinement pour créer au niveau de chaque commune une mutuelle de santé qui pouvait permettre quand même et, faire adhérer les, populations qu'elles administrent pour leur permettre quand même de bénéficier de, cette, de ces gratuités-là, comme si je peux m'exprimer ainsi, qui ont été offertes par le chef de l'État, son excellent M. Macky Sall. Euh, si li nga xam ne gars yi ñoo ngi koy wax si faju bi nga xam ne président yëkkati na ko jëmale ko si askan bi gars yi ñëw nañu pour leeral naka la ñu mën a def ñu faju naka la ñu mën a def ñu def képp ku nga xam ne fi nga munti jege ñëwal foofu incha allah daañu la leeral li nga xam ne loolu li nekkoon suñu réunion tey boo weesoon ñoo si seen kanam mooy waa kii bi lépp li nga xam ne war nañu ko def nun onze localités yi mooy dalukaay yi ñi nga xam ne mutuelle bi fan la war seen siège yi ak lu ñu war nu incha allah nun yëpp daañu si jàpp vraiment tey jii kontaan nañu bu baax ndaxte euh, directeur général bi ñëw na ñu ànd sunu sous-préfet département bi wax dëgg yàlla tey leer na ci bopp nit yi président Macky Sall mu ngi dimbale askan bi parce que am na ñu bare dañoo wax euh, affaire bi dafa sooxe mais tey leer na leer na ci bopp nit yi affaire bi jaar na yoon président Macky Sall mu ngi jàppale nit yi mu ngi dimbale nit yi mu ngi jàppale mu ngi jàppale xale yi wax dëgg yàlla tey jii ñun yëpp kontaan nañ ñun ay politiciens lañu ñun waxuñu sax mais directeur général bi moo wax fekk fii encore docteur Ngom ak Doudou Diaw Baxa directeur bi ñu ngi koy liggéey ñu ngi koy def ci département bi wax dëgg yàlla tey département bi yëpp kontaan nañu si liggéey bi président Macky Sall mu ngi jàppale askan bi lii mooy nguuru miskin yi miskin yi ñu ngi faj mag yi ñu ngi faju xale yi ñu ngi faju ku bëgg faju daa faju doo fay dara mutuelle yi tamit ñu ngi woo ñëpp nañu ñëw adhéré ci mutuelle bi li nga waroon fay cinq 7500 ñu leen na nga fay 3500 loolu baax na man de à partir de tey danaa ci dugg danaa ci duggal suma njaboot ak maire yi maire yi tamit war nañu maire yi maire onze localités yi maire yi na ngeen ñëw ku ci nit yi ngeen parce que préfet wax sous préfet bi préfet wax y a des ay maires yi nga xam ne ñoo ko disal nit yi ñoom nañu def commune de Richard Toll macha allah am nañu doole faire. nañu moyen bi nañu ko def incha allah maam Diop tamit lépp luy askan bi ko def nous avons senti un engagement très fort de monsieur le préfet des sous-préfets et de toutes les autorités euh, qui sont dans l'administration territoriale mais également parce que nous avons vu que le membres du Conseil économique, social et environnemental, les maires, les représentants du Conseil départemental et tous les élus sont très engagés pour la réussite du programme de couverture maladie universelle. C'est également un plaisir pour nous parce que c'est avec Dagana que nous allons achever le processus d'organisation des CDD. Donc c'est avec plaisir que nous le disons aujourd'hui. Euh, ce CDD est le 25e CDD auquel nous participons. Ça veut dire que nous avons le tour de 25 départements. Parce qu'avant la création de l'agence, il y avait déjà eu une réunion de CDD dans 20 départements, dans les 14 départements pilotes et dans 6 autres départements. Donc euh, depuis quelques mois, nous avons parcouru le pays, nous sommes allés dans toutes les régions du pays et 25 départements nous ont accueillis, 25 réunions de CDD se sont tenues et dans chacun de ces 25 départements, des engagements ont été pris pour que les populations puissent au même titre que les 20 départements précédents, accéder à la couverture maladie universelle à travers les mutuelles de santé. C'est extrêmement heureux de constater que sur l'ensemble du pays, le message du président Macky Sall a été accueilli positivement. Les élus, les populations, les associations de femmes, les associations de jeunes, tous les Sénégalais que nous avons rencontrés nous ont dit que la couverture maladie universelle est un programme qui arrive au bon moment, qu'il est arrivé au moment où les Sénégalais avaient de graves problèmes en termes d'accessibilité financière aux soins. Et heureusement qu'avec ce programme, les enfants de 0 à 5 ans disposent maintenant de la gratuité des soins dans les postes et centres de santé. Nous avons constaté que c'est effectif à Dagana. Les femmes bénéficient gratuitement de la césarienne, c'est également effectif dans le département de Dagana. Le plan Sésame est en train d'être relancé et nous avons constaté avec plaisir qu'il est en train d'être mis en œuvre à l'hôpital de Richard Toll les personnes euh, membres du euh, bénéficiaire du programme de bourse de sécurité familiale sont également en train d'être enrôlées dans les mutuelles de santé, dans les départements où des mutuelles existent. Cela veut dire qu'à Dagana, dans le département de Dagana, dès que les mutuelles de santé seront en place, ces personnes vont également être enrôlées dans les mutuelles de santé. Il en est de même pour les personnes handicapées bénéficiaires de la carte d'égalité des chances. Et là, nous en profitons pour lancer un appel à tous les responsables pour qu'ils se mobilisent pour aider à l'identification de ces personnes, à leur enrôlement dans le programme de carte d'égalité des chances, pour que ces personnes puissent bénéficier gratuitement des soins et des médicaments, et pour que les membres de leur famille également puissent accéder à ces services, et pour que ces personnes puissent être enrôlées dans le programme de bourse de sécurité familiale et bénéficier gratuitement de, bénéficier de la bourse de sécurité familiale. Tout ceci montre que ce programme est un programme qui n'est ni le programme du président Macky Sall, ni le programme du directeur de l'agence. C'est un programme des populations du Sénégal. Ce sont les populations qui doivent se l'approprier et si elles se l'approprient, évidemment, on verra que les indicateurs vont évoluer très rapidement. On nous a dit, par exemple, et nous avons noté avec plaisir, que dans les différentes structures de santé du pays, aujourd'hui, de plus en plus d'enfants viennent se faire consulter. Parce qu'avant, les parents avaient des difficultés à amener ses enfants vers les structures, parce que les parents n'avaient pas toujours l'argent qu'il fallait pour les amener vers les structures. Mais maintenant, les enfants viennent en masse vers les postes de santé, dans les centres de santé, et les enfants se font vacciner en masse. Et tous les médecins nous disent que les indicateurs de santé vont évoluer très rapidement vers des, sommets qui vont faire du Sénégal un pays modèle dans, ce domaine. Euh, en tout cas, le message, il est unique c'est un message de mobilisation de tous les Sénégalais autour de ce programme du président de la République pour que le Sénégal puisse enfin dire qu'il est un pays où chaque fois qu'une personne est malade, elle se fait soigner sans problème financier. Chaque fois qu'une personne doit accéder aux médicaments, elle y accède sans problème financier majeur.